Dans la lutte contre le phénomène dû au changement climatique, il faut des actions locales. Dans la région de Maradi, au Niger d'une manière générale, nous avons des pratiques paysannes porteuses. Quand je prends l'exemple des pratiques de la régénération naturelle assistée, communément appelée Sassabanzamani, ce sont des pratiques initiées depuis des temps par les populations locales agriculteurs, mais la portée de l'impact positif de cette pratique n'est pas très connue. Grâce aux actions des services de l'État, cette pratique est aujourd'hui connue de beaucoup de paysans. Et le résultat est là. Nous avons des zones rurales qui ont tendance à devenir des forêts aujourd'hui. Je peux citer l'exemple de, la zone d'Aguier, du site de Dansaga, du site de Damama, du site de Zabamoussou. Vous avez plein de sites aujourd'hui qui sont là, qui peuvent témoigner de la pratique paysanne et qui ont porté un important lot, en tout cas en termes de stratégie paysanne.